salaamaaleykum mbokki internet yi mbégte ak contente moo la ñuy am di jàkkaarloog yéen saa su ne comme niñ ko waxee rek ñu ngi fii ci biir ci Thiey Dakar émission bi ñuy wax man ak yéen man ak yéen ba ma leen ko dalee wax yàgg na man ak yéen fépp lay génnee ak yéen tey nag man ak yéen li mu leen indi loo nga xam ne doy waar la yaakaar naa ne yaakaaru leen ko woon parce que jàppoon ngeen ne tout le temps dañ leen di indil artiste wala ay thème ñuy waxtaan ci lii nii di jooy fii ñii di xeex fii ñii dugg fii ñii di génn fii comme ni ma ko xëy tey dafa indi nga xam ni kafooree la tey euh, dama bëgg ñëpp yëgal sen xol ñi nga xam dañu mer sen mer wàcc xalé yi di seetaan mag ñi seetaan ñep di seetaan parce que yaakaar nañ dina intéresser ñep tay nak euh, li ma leen indil mooy qui de nous deux. qui de nous deux nak moy lo nga xamni pour dañu poser ay questions questions yi nak euh, mom lañ na répondre man ak Khadija xamna naa damay nuyu sama invité Khadija comment tu vois je vais très bien Maïssa. donc euh, comme ni avons rek mhm. comme ça nous, nous fini, xam nous mhm. voilà Qui euh, nest qui de vous deux est la plus ponctuelle. <laughs> ah. wow. waaw waaw. <laughs> ok. Qui m'ont mon nom? Euh, qui de vous deux passe plus de temps sur Facebook. Hmm. Hmm. Hmm. Facebook c'est toi. de hein. <laughs> euh, qui de vous deux est la plus bavarde. Mm-hmm, c'est moi. Ah oui bah Ah, d'accord. tu <laughs> mm-hmm. <laughs> qui <laughs> euh, de vous deux est la plus timide. Waouh, c'est toi. Hein. trop timide euh, qui n'est qui, qui de vous deux a une nombre d'enfants mm Ah déjà? Hadija. Oh, yow la de. Hadija lu la jaral lii. lu la jaral lii. nombre d'enfants oui. nombre d'enfants. man j'ai deux hein. ok. Euh, qui m'emmène qui de vous deux est la plus dépensière. Mm man ah, man may dépensé man. waaw waaw sa bopp ci jaamu yàlla la loolu moom jigéen ñëpp la moom <laughs> fa neex yàlla. nañ nangu rek. franchement. Euh, kii qui de vous fait mieux la cuisine. Hmm. ci man la fekk baax. ah ben c'est toi. Hein. ah loolu ci man la fekk hein. baax. kaay ma la ma ma yar nag de. tout cas sama maama ma yar de. ah mën naa ah et le mais puisque tu es une sénégalaise tu dois faire mieux que moi. je ah pense ah bon ah ben oui. ok. Mhm. Euh, qui de vous deux est la plus calme. Hmm? encore toi. ah Khadija yow bëri nga defoo de. waaw ah, yow la de. yéen doo leen wax ak kii ngir yàlla de bëri nga defoo de. wala ni nga mel tayoo j'ai la bougeotte <laughs> en tout cas je bave trop. ah yow dootoo fi ñëw. <laughs> Euh, qui de vous deux est la moins patiente pour boobu man la. très patiente aussi. pour man la man là, man la boobu moom xam naa sama Bob. Mm. ah yow ci Bob? Mm-hmm. même là, bi là hein? ah oui. ok c'est le trio. Mm-hmm. Euh, qui de vous deux est la plus drôle. ah déjà, ah, yow a de <laughs> yow da <laughs> ah, euh, qui de vous deux chante le mieux je chante très bien je chante très bien en tout cas ah bon ah ben oui ok wayal allemand? da way je sais pas ce que je peux ah, ah, non non chante chante je sais pas mais chante chance non non non. non Khadija loolu amu fi amul non non non. mais chante. non non non non non Khadija Khadija chante. s'il te plaît ma chérie Khadija déglu ma fii Khadija. Khadija dañu poser question. donc man defna Khadija. yow mënul nga def may sa mais da nga dëggal sa bopp waa léegi Chantal wayal wayal ñu xam li nga mënee. moi j'ai aucune idée de ce que je peux changer bëggoo dugg ci studio yi ñu produire. ah non non franchement je à l'époque j'étais fan de la musique mais là maintenant franchement. Ah, le temps est passé. Ah, ah, li nga nekki woon à l'époque lañ bëgg nga indi ko fii nii tey

de la folie. Alors je ferai des folies. Hmm. Si l'amour était comme une prière, Je prie à Dieu de temps en temps. Hmm. Si l'amour était tout simplement le désir de faire un enfant, j'aimerais qu'il soit pareil à toi, pareil à moi de temps en temps. Dan dan dan dan dan Khadija mënoo dara. Khadija wax dëgg wax dara. L'amour, je t'en supplie, fais-moi l'amour. Je pense que ça va. Oui eh, eh, amour nga fi indi de Khadija. yow est-ce que xam nga kii li mujjee wax. waay. Elle s'adresse à hein. son mari en fait. en fait euh, ici euh, au ah. Sénégal c'est un peu eh. euh, tabou. voilà en fait la dame elle s'adresse à son mari genre. Mhm. si l'amour est une prière. Mhm. elle ferait des prières tous les jours. Mhm. si l'amour était tout simplement voilà, autant de choses quoi. En fait, elle s'adresse à son mari Jean pour prouver son amour en fait. Ah ouais? Uh-huh. Ok, t'es ah Néné, elle dit que son mari lui fait l'amour jusqu'à la mort. Non non, l'amour. non non euh, non non non. l'amour mais bon. Néné, néné, mais def euh, <laughs> je sais pas lui fait des câlins non non calme non non si non non ne peux pas. <laughs> non non je suis au Sénégal et je respecte le Sénégal et je respecte la culture sénégalaise en fait c'est pas pareil comme nous nous c'est pas tabou au fait actuellement non actuellement man ak yow ñoo fi nekk ay jigéen rek fi nekk ça c'est clair donc émission bi li ci ëpp ay jigéen ñoo koy seetaan mhm. donc fii amul lenn loo xam ne dañ ko fii nëbbante ah, gis nañ fi yu gën là. yi donc ah, waxtaan nga rek ah, non en fait en plus yow wax nga ko doo sénégalaise donc euh, y a rien de mal non ma chérie je pourrais pas dire ça mais mais tu sais tu sais ici au Sénégal il y a beaucoup de tabou Mm-hmm. Je, n'ose pas dire certaines choses parce que c'est pas méchant ce qu'elle chante. Par contre, chez nous, bon, d'où grave en fait, c'est affaire bungalek. Mm-hmm. Comprends, bungalek, fais-moi l'amour. Ici au Sénégal, si tu dis euh, fais-moi l'amour à quelqu'un, il va prendre ça mal. Tu vois, donc. Fais-moi euh, l'amour. Fais-moi l'amour, fais-moi des câlins. Hmm. c'est juste là, hmm, mais hmm, bon. non,

C'est fais-moi l'amour, pour nous, c'est rien chez nous, parce que c'est ce que les, gens le font, parents, jeunes, fiancés et tout. Mais ici au Sénégal, je respecte des barrières. Ok. Je respecte les barrières, je, je respecte les internautes et je respecte surtout ma famille sénégalaise

parce que am na ñoo xam ne ndeysaan seen jàng soriwul te bëgg nañ xam luy loolu. Euh, comme euh, ni ko waxee dañuy ñëwaat ci question yi mais euh, question yi je pense que c'est en wolof kii nee na yéen ñaar kan moo ca dàqoon daw jàng ba mu nekkee xale. Hmm. peut-être c'est toi. man daan ma daw jàng de. Hmm. <laughs> man dama daan dem jàngi école. Ah man damay wàcc sax dem jàngi alxuraan. Ah, c'est bien. Mais Ah bien sûr, mais je ne sais ah. pas. <laughs> je sais pas. Ah, je préfère dire que c'est toi en fait. Je te jure. ok. Qui mom nena nena nena yéen ñaar kan Je ci gën a modde. modde modde ah modde bi wax fa neex Modemo. No, no, no, no, no. voilà jeex kon voilà mu ngi noonu fii amul triche amul lenn loolu lañ fa amoon question yi nag bëri na lool mais xam naa dañ koy dagg fii parce que bëgguñu affaire yi gudd li ma leen wax nag bëgg naa commentaire yi ngeen bindal ma lool nga xam ne soxla naa ko pour bëgg ko xam comme ni ngeen ko waxee nag tey ñu ngi comme ni ñu ko waxee tey ñu ngi woon fii nii ci biir Thiey Dakar émission bi ñuy wax man ak yéen man ak yéen comme ni ma leen ko waxee tout le temps ak fu bees fu mu leen di génnee ñun yemuñu fenn rek ñu ngi fépp yéen loo leen soxla wax leen ñu bëgg naa ci commentaire yi ku ci nekk da wax li nga xam ni moom la bëgg man ak yéen indil leen ko ñu indil leen ko dem ci ba mu neex yéen nee naa leen loo leen na mu ñu toggantu ko incha allah man nag euh, maa ngi remercier bu baax a baax a baax sama invité bi nga xam ne tey macha allah dafa ala daw me dama ko woo rek mu daw si ñëw di remercier tamit ki nga xam ne mooy Pape Doudou sama caméraman boobu di may remercier tamit euh,